Man quotidien d'aujourd'hui, jeudi 19 septembre 2024. Thème Le don sacrificiel. Le don sacrificiel. Thèse de lecture 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 8. Nous allons partir du verset 1 à 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations et qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesse libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donner volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Verset 4. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué pour comme nous l'espérions, mais ils, ont, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Le verset clé, c'est le verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont, produit avec abondance de richesse, libéralité de leur part. Gloire à Dieu. La tribune baptiste biblique raconte l'histoire de Robert Artigan. Il vécut dans une seule chambre, prépara lui-même ses repas et partagea son amitié avec des étudiants de Munis. Pourtant, de son vivant, donnant d'énormes sommes d'argent aux missions chrétiennes. À sa mort, son patrimoine s'élevait à environ 5 millions de dollars qu'il a ligués aux missions. Après sa mort, une lettre qu'il avait reçue d'un missionnaire a été retrouvée dans ses affaires. Elle lisait si j'étais de nouveau en Angleterre, je vivrais volontairement, mais je vivrais volontiers dans une seule pièce. Je ferais du sol mon lit, d'une boîte ma chaise, d'une autre ma table, plutôt que laisser les païens périr faute de connaître Jésus-Christ. Le passage de ce matin présente un effort très profond en matière de dons. Les églises de Macédoine ont été félicitées pour leur contribution sacrifiée à l'œuvre de Dieu et à la prise en charge des saints. Leur générosité a été soulignée par l'apôtre Paul parce l'apôtre Paul parce était une, dans une grande pauvreté, mais qu'elle donnait au service du Seigneur. Ici aussi, les déterminations à pitoyé sur leur situation et a voulu les dispenser de soutenir financièrement l'œuvre. Ils ont insisté sur le fait qu'ils voulaient le faire. C'est le donc que Dieu accepte parce qu'ils se sont d'abord donnés au Seigneur et ensuite à son service. Donner pour une l'œuvre de Dieu nous attire les bénédictions. En fait, il est dit dans les Écritures que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Cependant, il a des conditions à remplir avant de donner à Dieu. Tout d'abord, il faut que celui qui donne soit véritablement sauvés et engagés à suivre les enseignements de Christ. Une telle personne doit d'abord se soumettre à Dieu avant de servir les ministres désignés par Dieu. Il ne s'agit pas de personnes, de, de, de, personnes totalement ignorantes des exigences de Dieu à l'égard de l'homme, qui considèrent le don comme leur premier devoir en tant que chrétien. Ensuite, les sources de revenus de ceux qui donnent sont tous aussi importantes. Dieu n'apprécie pas que le produit de l'iniquité soit apporté dans son saint sanctuaire. Donner pour le progrès de l'œuvre de Dieu est une bonne chose, mais le don sacrificiel insiste Dieu à nous bénir encore davantage. Une chose est sûre, Dieu récompense ceux qui sont fidèles et donne avec joie. Et Dieu merci, tout le monde peut donner, aussi petit ou petit que puisse paraître votre don, tant qu'il vient d'un cœur heureux et joyeux, Dieu s'en réjouit et le récompensera certainement. Gloire à Dieu. Pensez du jour. Dieu s'intéresse à la qualité et non seulement à la quantité de nos offrandes. Dieu s'intéresse à la qualité et non seulement à la quantité de nos offrandes. Amen. La Bible en un nom, Nombre chapitre 29 à 30. Amen.